en tant que maire de la ville accordé sa satisfaction. wax ni kontaan trop ci ndaw ñi nga xamné ne ñoo ci service civique communal amna ay mag yu leni di encadré waaye ñi porter liggéey bi deug deug deug c'est les jeunes ou certains jeunes de Ziguinchor jeunes yoyu je wax maire le conseil municipal mais toute la population de Ziguinchor est très contente de vous wax ko sen yombalal na lu batay, Ziguinchor ni mi don ay problèmes tout le monde sait que nous sommes dans la région la plus pluvieuse ou l'une des plus pluvieuses du Sénégal Ziguinchor fait plus de 2000 millimètres cubes. ci année là où le reste du Sénégal suma djumul juumul moyenne du dépasser 500 millimètres cubes. C'est pourtant dégguñu fi inondation dégguñu fi canal bu bloqué ndox mi jall na ni mu à a et c'est grâce à cet engagement volontaire de ces jeunes je veux dire à Ziguinchor que ces jeunes ont fait économiser à la ville plus de 60 millions parce que chaque année, la commune de la joxe des marchés pour le curage des caniveaux chaque année les caniveaux n'étaient pas correctement curés Maïdel lançait appel à cette jeunesse là defu foulenko pour Ousmane Sonko de pour le conseil municipal vous le faites pour vous-même pour votre cadre de vie pour votre ville parce que notre objectif c'est que suñuy une référence waxuma ci Sénégal waxuma ci Afrique nous ci nous ñu mëna citer Ziguinchor parmi les villes les mieux tenues du, monde deuxième point que abordé, aborder toujours c'est dans la même veine parce que nit ñi dégg nañ ni am nañu joxe nous citoyens yu joxe am nous xamné nous duñu Ziguinchor joxe nañu il faut nous poser la question pourquoi nit ak alal ni pourquoi les gens se lèvent pour dire man li na ma jëriñ mais je préfère donner pour me servir à la collectivité et là, dafa faut un réflexe pour chacun et chacune d'entre nous mo gën tok rek nan pourquoi defaluñu waaw forum bu ñu la monsieur le maire canal bi il faut nga wax ci mais est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous nous faisons pour que la mairie puisse faire le travail Alors, qui donne présenter Wahnako Moi, j'ai donné en tant que citoyen, je n'ai pas donné en tant que maire. Et en tant que citoyen, Djokna, la commune de Ziguinchor, un lot de matériel médical. Djokna Ziguinchor, parce que biñu ñëwé on s'est rendu compte que suñu service technique yi le service de la voirie so leen yonne ne leen dem leen defaral ma liggéey tel ñu ne la monsieur Blair amu sax marteau buñu démé daj amuñu si amuñu gant amuñu dal amuñu amuñu amuñu y avait absolument rien au niveau du service technique communal ñu ne nak et c'est pourquoi nous avons mis à contribution beaucoup de citoyens sénégalais d'ici et de la diaspora pour dajare liñu matériels. matériel bobu nga une valeur de 6 millions de francs pour équiper totalement les services techniques parce que lima bëgg man fort j'ai dit mon service technique je préfère dem jëndi tôle jëndi bois service technique parce qu'on a un atelier menuiserie on a un atelier électricité on a un atelier mécanique Bala may dem fay ci biti ñu facturer ma lu cher amna liguey yo xamné mairie bi les compétences techniques pour les faire et c'est pourquoi il est bon d'équiper les services techniques Et c'est pourquoi on a cherché ce matériel qu'on va donner également à la mairie à titre gracieux. On aussi des bacs à ordures. Yumagi de contenance de 1000 litres. yo, on va les déployer dans les marchés et à la gare routière. Ça, c'est ce qui fait partie des dons Yohamne Jochenengo mais à côté des dons on a mis à disposition du matériel Bon, on d'ailleurs dañ koy plus tard la mairie mais dans un premier temps on met à disposition bokk na ci matériel quand on est arrivé ici amul benn benn à ordure les belles tasseuses là bu Ziguinchor bu fonctionnel buy daw